Merci beaucoup, Monsieur le Président Habib si di gërëm di sant sénégalais yi ñu seetaan yëpp di profité ci bis bi ñu jógee mi bisu tabaski di leen balu ak ñaan suñu borom lii suñu bébét ci Sénégal mu may ñoo ñu mottali ko ak Thiam mu wax ni du def 3e mandat mu indi émotion bu bare ci biir Sénégal mais loolu ni wax rek au niveau de yewi Askan Wi que mënoo renoncer li nga xam ni amoo ci droit ñu duñ yàgg wax mooy amul droit ci e mandat donc jóg ni damay respecter li constitution bi wax

de tous les leaders qui le souhaitent qui élection présidentielle yi nga xamni ni la du jëm Benen acte bi la libération de tous les détenus politiques parce qu'il ne faudrait pas que acte bobu mu def une ruse pour attaquer yenn leaders opposition yi attaquer le président Ousmane Sonko donc di wax ni renoncer wul à un troisième mandat

le pouvoir à opposition et que à chaque fois c'est le président Macky Sall qui accule l'opposition donc euh, dire très rapidement que nous avons entendu hier le président de la République Macky Sall dire qu'il renonce à un troisième mandat auquel en réalité il n'a pas droit parce qu'il faudrait renoncer à quelque chose dont on a droit mais il nous a toujours dit que c'est lui-même qui a introduit ces dispositions de la Constitution pour se l'appliquer. Donc, si aujourd'hui il se conforme à ce que la Constitution lui impose, on ne peut que prendre acte et attendre de lui d'autres pas allant dans le sens de la pacification de l'espace public, de la pacification de l'espace politique. Et ces pas, nous les connaissons tous. D'abord, l'organisation d'élections libres et transparentes mais également d'élections inclusives qui permettra à chaque citoyen qui le souhaite et à chaque citoyenne qui le souhaite de pouvoir briguer le suffrage des Sénégalais. Mais également libérer tous les détenus politiques. Ils sont nombreux dans les prisons et leur seul tort, c'est de se mobiliser, de s'être mobilisés contre ces forfaitures, contre ces violences qui ne proviennent de nulle part, qui ne provient nulle part que au niveau du régime actuel, au niveau du président de la République, Donc, il ne faudrait pas que l'acte qu'il a posé hier soit une ruse pour davantage s'attaquer à l'opposition, pour davantage isoler les leaders de l'opposition, pour davantage isoler Ousmane Sonko. C'est pour cette raison que nous demandons à tout un chacun de rester vigilant et mobilisé et nous avons pris acte de cette décision qui n'est rien d'autre qu'une réponse qui était attendue de lui en tant que chef de l'État, à savoir respecter les dispositions de la Constitution, cette Constitution qui a clairement dit que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs et par conséquent, ce qui est attendu de lui, c'est l'organisation d'élections libres et transparentes, mais également d'élections inclusives. Je vous remercie. Merci, merci, Président Dété. Euh, président. Euh,